Sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, la Confédération nationale des artisans et maîtres d'apprentissage du Sénégal, CONAMAS, organise la première édition du Salon international des artisans de la vallée Save. Cet événement, qui entre dans le cadre de la promotion de l'artisanat, se tiendra du 23 février au 5 mars 2023 à la place Bayard de Saint-Louis, avec le thème L'artisanat dans l'économie d'une localité cas de la vallée daje bu rëy boo xamante ni ñi ko nar a amal nak mom modi wa lolé nak ci ki nga son excellence président Macky Sall Modi salon international des artisans de la vallée Save Modi nak dajé daje xamanteni dañ amal yéene ngir jëmmal li nga xamanteni ni mom modi taxawayu artisanat fi nga xamanteni mom modi ci réew Sénégal ñu nar ko amal ñaar fukki fan ak ci wéru février japp juromi fan ci mars 2023 fa nga xamanteni mom modi ci place Baya bu Saint-Louis ñu nar ci amal nak ce rendez-vous est placé sous le haut parrainage de M. Amadou Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, par ailleurs maire de la commune de Saint-Louis. M. Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. M. Falisek, d'âge du ministère, des collectivités territoriales, du désenclavement et de l'aménagement des territoires, maire de la commune de Rosbecchio, par ailleurs président du mouvement ADEV, Monsieur Abdoulaye Leye, président de la Chambre des métiers de Saint-Louis, Madame Florence Lacaze, DGRS, Monsieur Doulouis Sadieye, président Union des chambres de métiers du Sénégal. Ce sera bien sûr avec la participation de l'ADPME, l'ADEV, 3FPT, DER, ANIDA, COSEC, ONFP, Union nationale des chambres de métiers, GIZ, Sayed, Mairie de Saint-Louis, Au Royal, BNDE, Anamou, ADPA, ACPEX, CCLA, SL, Chambre des métiers de Saint-Louis. Retenez bien, ce sera du 23 au février au 5 mars